cinq fois champion du sabre national et six fois détenteur de la Coupe du président de la République. Le célèbre et combattant lutteur Kadri Abdou, alias Isaka Isaka, vient d'honorer une fois de plus la région de Dosso en remportant la Coupe du président de la République édition 2023, en faisant mordre le sable son challenger Lawali Abdou, dit Antela de Zender, à la finale de cette compétition. Pour la énième fois, notre champion Isaac Isaac vient encore euh, d'honorer notre région en gagnant cette euh, Coupe du Président de la République édition 2023. En dehors de la Coupe, notre champion a aussi gagné une moto Cassia 125 9 C'est un encouragement d'un citoyen qui aussi aime beaucoup la lutte, donc c'est une bonne chose. Ce que nous allons dire à notre champion, c'est de vraiment continuer dans ce sens-là et d'initier encore les plus jeunes pour que la région de Dosso soit toujours la région championne de la lutte traditionnelle. Chez Isaac, Isaac a quelque chose qui me plaît, c'est que c'est quelqu'un qui est déterminé. Et dans sa détermination, il y a de la rigueur et c'est ça qui fait la réussite. Le maire de la commune urbaine de Dosso, M. Abdou Madougou, aussi réconforté par l'exploit de ce jeune lutteur, Kadri Abdou, alias Isaka Isaka, n'a pas pu trouver des mots pour lui remercier et justifier son sérieux dans les arènes de lutte traditionnelle au Niger.